Sénégalaises, Sénégalais, chers compatriotes. Devant moi, l'Assemblée nationale du Sénégal, je suis ici à la place Soweto. Si vous le voulez bien, le 31 juillet 2022, nous aurons une nouvelle gouvernance ici dans ce pays. Les lois scélérates votées dans cette Assemblée nationale seront abrogées. Ces lois qui sont contre les libertés, la démocratie, l'état de droit, ces lois qui permettent la prédation de nos ressources naturelles, nos ressources minérales, le foncier, le fer, l'or, les phosphates, le zircon, pour ne pas parler du pétrole et du gaz, de la forêt de Casamance, du bois de Casamance, de nos poissons, eh bien, toutes ces lois seront abrogées. Si vous le voulez bien, ce 31 juillet 2022, en votant massivement pour les listes Wallou-Sénégal et Yewi Askan, oui, nous aurons la cohabitation. La cohabitation, c'est quoi C'est un Sénégal qui marche sur deux jambes. Le président de la République fera son travail désormais. Mais l'Assemblée nationale, elle sera debout. L'Assemblée nationale sera là pour voter les lois que vous voulez. L'Assemblée nationale sera là pour contrôler l'exécutif. Cette cohabitation permettra d'avoir de nouvelles lois des finances. Moi-même qui vous parle, je connais sans doute mieux que ces gens de Bernard Bokoyakar les lois des finances, pour ne pas parler de l'économie, pour ne pas parler des affaires africaines, bien entendu. Donc nous pourrons avoir des lois de finances qui vont s'occuper sérieusement de la santé, de l'éducation, de l'électricité. On n'est même pas capable de donner de l'électricité aux autres du président de la République dans ce pays. On va s'occuper sérieusement de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et nous allons protéger l'environnement si vous le voulez bien, donc le 31 juillet 2022, tout cela sera possible ici au Sénégal. mbokki Sénégal Manglin ngi leen di ziar tabaski bu sell bi Dinokale ngi nuyu di ziar di ndokkale Yangvi, cardinal archevêque Dinu bois sacré di leen wax ne ñoom ñoo bëggoon ñu criminaliser mbirum boromu ñaari tur yi homosexualité ak LGBT proposition la bu mu tegee sama loxo ma jël ko jëbal ko bureau assemblée nationale naka règlement intérieur bi tëralee waaye mais waa bureau assemblée nationale nee na ñoom duñ ko xool duñ ko saytu duñ ko càmbar ma jël yóbbu ko conseil constitutionnel pour mu àtte mu ne yoonam newu ci su ngeen ko bëggee des na ci yéen su ngeen ko bëggee des na ci yéen su ngeen ko bëggee des na ci yéen 31 juillet 2022 ngeen votel massivement walu Sénégal ak Yewwi Askan ngeen votel massivement laa wax opposition ñu majorité ci Assemblée nationale su boobaa proposition de loi bi day jàll par force danañu mën a am tamit

gi nañu cee jot góor gi yéex nañu cee jot góor gi dolli ñu def ko ci éducation nationale lu kenn deful plan REVA bi béykatu réew mi naw nañ ko plan Jaxaay mbaa ngi gaayaa ngi nii te ji sanc nañu ey bu demu doon tey góor gi nañu cee jot nañu cee